le forum du studio le le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu que vous suivez chaque jour à travers notre réseau dynamique de 34 radios partenaires présentes dans les huit régions du Niger. Aujourd'hui, le Forum de la presse parlera d'abord de cette polémique en cours sur le code électoral au Niger notamment sur les articles 8, 12, 80 et 81, objet de discorde entre le pouvoir et l'opposition politique. Nous parlerons ensuite de cette euh, circulaire de la Direction générale des douanes du Niger qui a failli amener les importateurs et transitaires à observer une journée ville morte aujourd'hui vendredi. Nous parlerons aussi de la répartition annoncée hier du fonds d'aide à la presse privée nigérienne. Et pour finir, parler des feux de brousse qui commencent à ravager des hectares de pâturage. Pour euh, commenter ces sujets de l'actualité de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir euh, Sidek Ali, journaliste, euh, analyste politique. Sidek, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Abba Hassan Bouka, directeur de la radio alternative, qui n'est pas encore là, et Roufaï Dandoua, journaliste freelance. Dandoua, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Deji. L'opposition politique dignette euh, au code électoral euh, au Niger, elle a appelé même à travers le Fonds pour euh, la restauration de la démocratie et la République FRDDR à sortir dimanche pour une grande, pour une grande manifestation de protestation visant à dénoncer la gestion du pouvoir par les autorités actuelles. Suivant d'abord le président du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed, sur la pomme de discorde relative à l'article 8 du Code électoral. Dans notre code électoral, depuis 1992, lorsque vous êtes condamné à une peine d'une année, vous n'êtes plus apte à vous faire élire ni à élire vous-même. L'opposition veut que nous changions cette disposition et la méthode qu'ils ont adoptée a été de dire on laisse ça au CNDP. C'est une question plutôt politique, vraiment, ce n'est pas une question juridique. Je pense qu'ils n'ont pas bien joué de se comporter de la sorte. Moi, je n'avais pas de doute dès le départ que l'opposition n'acceptera jamais de souscrire à un code électoral. Est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative face à cela, monsieur le ministre Ce n'est pas un problème pour nous que l'opposition participe au CNDP, qu'elle participe à la CENI ou qu'elle n'y participe pas. Vraiment, ce n'est pas un problème. Nous lui avons fait une offre, nous prenons les citoyens à témoin, ils refusent cette offre. Mais leur stratégie à eux de dire qu'ils peuvent prendre le processus électoral en otage est une stratégie erronée. Nulle part au monde, on a vu une minorité disqualifiée, un un processus soutenu par une majorité. Quelle analyse vous suscite cette réaction de Bazou Mohamed euh, Sidikali euh, Bonsoir, euh, chers auditeurs et mhm. auditrices. Bonsoir, chers camarades. Mhm. Euh, moi, je pense que après une certaine période d'hibernation politique, nous venons d'amorcer pratiquement la période de turbulence où euh, le débat lié eh, aux futures élections euh, que vous connaissez eh, commence à refaire surface et occuper le devant de la scène. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, eh, pour bien apprécier ce qui se passe, il faut euh, forcément être un peu à l'écart de ce débat pour bien apprécier. Et ce mhm. que moi, personnellement, je retiens, c'est que quelque part, il y a des enjeux tout simplement liés à, euh, aux élections présidentielles futures de 2021. En fait, le centre d'intérêt aujourd'hui euh, de tout ce débat que vous voyez là, c'est les futures élections présidentielles. Mmh. Qui sera apte, qui sera euh, qualifié à se présenter aux futures élections présidentielles Et c'est en cela que l'article 8 dont on parle au niveau du CNDP du Code électoral représente tout l'enjeu bah, vous, il n'y a pas longtemps, par exemple, un des leaders politiques, euh, un acteur et pas de moindre, mhm. vous connaissez, il faut dire les choses terre à terre, que Hamamadou, le président du Modern Falumana, a été condamné. Et il se trouve qu'avec avec euh, cette condamnation, il ne pourra en aucun cas se présenter aux futures élections présidentielles. Donc ça veut dire que de si, on, si on maintient si l'article 8. Évidemment, si on mhm. maintient, ça sera vraiment, en tout cas, tout simplement une possibilité de le mettre hors de course. Mhm. Donc maintenant, <laughs> vous me direz que quelque part dans le jeu politique, tous les coups sont permis. Évidemment, en politique, il se trouvait que euh, partout dans le monde, tous les coups sont permis, mais euh, il se aussi trouvé que dans l'exercice du pouvoir, il y a ce qu'on appelle euh, un peu la morale politique. La morale politique voudrait que quand vous êtes vraiment, en tout cas, dans une situation de force, malgré votre position privilégiée, vous acceptez le jeu, euh, vraiment en tout cas euh, que le jeu se fasse de façon loyale, que vous acceptez aussi et vous respectez aussi votre adversaire. Donc c'est pour cela que moi je dis euh, que la manière dont les choses se passent actuellement, moi ça m'inquiète parce que ça augure un avenir un peu vraiment en tout cas tumultueux. Mhm. Parce que <laughs> vous vous rappelez les élections passées. Les élections passées, euh, les choses, malgré tout ce qu'on a dit, se sont passées un peu de façon euh, inclusive. Tous les acteurs potentiellement importants étaient euh, vraiment partie prenante du jeu politique malgré que les choses se sont passées vraiment en tout cas de façon un peu opaque, les choses, vraiment les acteurs étaient présents. Mais cette fois-ci, à quoi on assiste, c'est qu'il y a un acteur et pas de moindre qui va être vraiment en tout cas d'office disqualifié et mis de côté. Mmh. Et ça, ça ne va pas vraiment faciliter les tâches. Tout à l'heure, quand j'ai écouté le ministre d'État Bazoum, je dis que euh, une minorité, c'est-à-dire qui essaie vraiment en tout cas de euh, c'est-à-dire de euh, de faire vraiment en tout cas un peu bloc euh, obstacle, au processus électoral. Moi, je dis que de part et d'autre, les gens doivent mettre de l'eau dans, dans leur vin. Mhm. Ou bien carrément <laughs> de mettre encore de l'eau dans leur thé. Parce que et le pouvoir et l'opposition, aujourd'hui, a intérêt à ce que les futures échéances électorales se passent dans le calme et la transparence. Parce que 2021, là, et celui qui a géré 10 ans de pouvoir, et celui qui a attendu 10 ans d'opposition, chacun attache un prix à ce que vraiment, en tout cas, les élections passent de façon normale. Parce que chacun veut avoir le pouvoir. Mm. Celui qui a le pouvoir a géré le pouvoir, et vous connaissez l'usure du pouvoir et tous les méfaits du pouvoir aussi. Vous avez géré un pouvoir pendant 10 ans, c'est que vous avez besoin aussi d'assurer vos arrières, de vous protéger Hein, de faire en sorte que vraiment, en tout cas, votre adversaire, c'est-à-dire déclaré, ne puisse pas venir au pouvoir. autant de l'autre côté aussi, euh, celui qui est resté 10 ans euh, dans l'opposition, qui a fait une traversée du désert, et vous savez que la traversée du désert aussi, <laughs> ce n'est pas aussi la traversée de la ville. Mhm. Ça implique tout. Et donc, lui aussi, il a besoin vraiment de venir au pouvoir. C'est en cela que chacun aujourd'hui est déterminé, vraiment en tout cas, à venir au pouvoir vraiment à l'occasion vraiment des élections euh, de 2021. Donc l'article 8 là, c'est ça qui représente en réalité l'enjeu. Et là, ce que je comprends encore, c'est que si on ne fait pas attention, euh, dans ce jeu-là, c'est l'opposition qui risque de perdre. Et déjà, il y a des signes qui sont apparents. Déjà, le bloc, c'est-à-dire d'Ibrahim Yacouba et autres, et le bloc de Hamas, on constate une certaine divergence, vraiment en tout cas dans la position. Mhm. On a comme l'impression qu'eux, ils sont prêts à partir, pourvu que vraiment qu'on laisse l'Omara et son problème de l'autre côté. Et ça, ça va créer des véritables problèmes au niveau de l'opposition. Ça va affaiblir considérablement l'opposition. Roufaï euh, Dandoua, selon vous, qu'est-ce qui fait que la classe politique n'arrive toujours pas à s'entendre sur ce code électoral alors que les mêmes articles existaient depuis plus de 10 ans oui, justement, moi je pense que c'est un manque de responsabilité et, surtout, il faut le dire aussi du côté de l'opposition qui visiblement n'a aucune stratégie de lutte. Quand aujourd'hui vous, vous, constatez que cette même opposition a refusé de prendre part au CNDP, et tout d'un coup, en catimini, elle revient pour prendre part au comité qui a été mis en place, vous vous demandez ce qui s'est passé et, avant qu'ils ne soient là, qu'est-ce qu'on leur avait promis et pourquoi ils étaient revenus. Maintenant, ils étaient revenus sachant pertinemment que l'article 8 qui datait depuis 1992 et qui fait ombrage à l'homme politique Hein, comme l'a dit Sidik, et il ne va en aucun cas être euh, sauté. Il faut être aussi réaliste, objectif mhm. et aussi responsable selon qu'on soit à l'opposition ou à la majorité politique. C'est vrai qu'il y a la morale politique, c'est vrai qu'il y a le consensus et, dans la politique, mais lorsque tu as tous les moyens pour abattre ton adversaire, mais tu utilises cette arme pour le faire, qui plus est encore un article qui date de 92 qui a été adopté et par la majorité actuelle et par l'opposition actuelle qui peut-être était à, à la majorité à un certain moment de l'histoire. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on fasse sauter et, cet article. Moi, je pense que si, tel, ce cas arrive, ça serait un complot contre le peuple. Pourquoi Parce que la loi, elle est impersonnelle. Cet article, lorsqu'il a été fait, sûrement qu'il n'a pas été fait pour une seule personne. Ou peut-être aussi que lorsqu'il a été fait, les mêmes personnes qui crient au complot aujourd'hui, ils étaient d'accord qu'on le mette dans le code électoral, dans les ordonnances qui s'en sont suivies aussi avec le temps de 92 à aujourd'hui, ça fait combien 26 ans C'est cela, non mhm. Ça fait 30. À peu près. Oui, vous voyez, non Donc aujourd'hui, qu'on dise non, il faut enlever ce, cet article pour permettre au candidat Hamadou de se présenter. Sinon, de qu'on dise qu'il n'y aura pas des élections. Non, il y aura des élections au Niger. Et le processus a été fait de sorte que et l'opposition laxiste qu'elle a été a accepté jusqu'à la condamnation de Hamon. Aujourd'hui encore, ce qui le condamne, c'est le fait que eh, les, camarades avec lesquels il a été condamné ont purgé leur peine. Quand vous prenez Abdoulabou, il a purgé la peine. Ça veut dire que si et eh, moi je purge la peine, pourquoi un autre est super nigérien que moi Donc il faut qu'il purge la peine. Malheureusement pour lui, s'il purge cette peine, et même s'il ne le fait pas, cet article le condamne. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est ça tout le point d'achoppement dans cette situation. Et je pense que jusqu'aux élections, on ne s'en sortira pas. Et malheureusement, l'opposition étant divisée, l'opposition et une partie étant opportuniste comme celle de, de, de, Ibrahim c'est une opposition, d'ailleurs ce n'est pas une opposition, ce sont des opportunistes, et de l'autre côté une opposition laxiste, celle de Hama et de Mon Ousmane, qui manque de leader, qui manque d'âme. Mais c'est un boulevard pour la majorité présidentielle. Bazoum disait qu'il soit là ou pas, on s'en fout. C'est parce qu'il sait qu'ils ne peuvent rien, ces gens. Aujourd'hui, il, convoque une, ou, organise une manifestation. Qui sait déjà si et, ça va réussir, on ne sait pas. Mais on veut bien, on a bien voulu que l'opposition euh, se fasse entendre depuis très longtemps. Elle ne l'a pas fait. Mais bon, on peut dire aussi bien voter que jamais. Abba Hassan Bouka, directeur de la radio alternative, vous venez de nous rejoindre. Bienvenue au studio Kalangou. Merci. Nous sommes euh, sur ce débat. Le temps passe vite. Euh, pensez-vous qu'il peut y avoir d'élections crédibles sur la base de ce code électoral euh, très contesté Merci beaucoup. Alors, le code électoral, normalement, c'est un, un outil qui exprime le rapport de force des différents acteurs qui sont, qui sont là. C'est vrai qu'on a eu une tradition de consensus autour du code électoral et des élections au Niger, mais aujourd'hui, apparemment, ce consensus fait, défaut. Est-ce qu'il y aura des élections crédibles Peut-être que c'est tôt pour le dire, euh, euh, puisque le code est là. Je pense que le pouvoir qui, au départ, avait dit que ce code est déjà adopté, il n'y a pas de discussion, est revenu à la table de discussion avec mmh. euh, l'opposition je pense que ça peut apparaître comme une bonne volonté. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses derrière. Euh, on parle de l'intervention de certains partenaires qui évitent que le Niger vive des situations conflictuelles après les élections, comme ce qu'on a connu ailleurs, dans un environnement déjà très chargé avec les conflits et tout ça. Et donc la question de la stabilité est à la fois un enjeu pour le Niger, mais aussi pour le partenaire au développement. Je pense que euh, dans ce contexte, euh, chacun a intérêt à ce qu'il y ait des élections crédibles. Maintenant, euh, je vois bien pourquoi vous posez la question. je pense que aujourd'hui, l'opposition qui a accepté d'aller dans la discussion, elle a finalement quitté tout de suite. C'est des bonnes guerres. Chacun défend ses intérêts dans un contexte politique. Euh, maintenant, euh, quelle est sa capacité aujourd'hui à avoir le rapport de force qui lui permette d'imposer sa volonté Si l'opposition n'a pas la capacité d'imposer sa volonté, eh bien, le code électoral va rester tel et puis les élections vont se dérouler. Le fait qu'un seul acteur ne participe pas, peut-être que ça ne remet pas en cause la crédibilité des, élections, mais euh, d'ici les élections, d'ici 2021, des choses peuvent se passer. Peut-être qu'il y aurait il peut avoir euh, des, éléments nouveaux. des éléments nouveaux qui permettraient une participation inclusive aux, élections. Donc je pense que c'est le souhait de tout le monde, mais dans le contexte actuel, je crois que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des élections tropicales, comme on le dit, mhm. qui débouchent sur des contestations, sur une crise post-électorale. Je pense que ce n'est dans l'intérêt des personnes ni de l'opposition, ni de la majorité, et surtout pas des citoyens nigériens qui n'ont pas intérêt à laisser une telle situation arriver. Parce qu'il ne faut pas que la classe politique prenne un otage. Il y, a pas, il y a des gens dans ce pays qui ne vivent pas de politique, mm. mais la paix, tout le monde en a besoin. Donc je pense que tout le monde doit travailler à ce que ces élections ne débouchent pas sur une crise et que ça donne des résultats un peu plus apaisés pour euh, le juriste Bachir Amadou, basé à Toulon, en France, joint au téléphone par le studio Kalangou, cette semaine, l'opposition peut saisir le juge constitutionnel afin qu'elle se prononce sur certaines dispositions du code électoral. Qu'en pensez-vous, si décalé Bon, euh, là, moi, je ne peux pas euh, préjuger de l'opinion quand même de, la Cour, parce qu'on ne sait pas quelle lecture la Cour va en faire. Mais ce que sur nous, à notre niveau, en tant qu'acteurs, ce que nous pouvons dire, euh, c'est que la première euh, chose qui nous préoccupe en tant que citoyens, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Hassan, c'est la paix et la stabilité pour ce pays. Mhm. Nous sommes dans une période extrêmement difficile, dans un environnement régional extrêmement difficile, chargé, comme il l'a dit. Nous sommes confrontés à des phénomènes aujourd'hui qui dépassent largement nos capacités, donc qui commandent à ce que nous restions unis à l'interne, c'est-à-dire comme un seul bloc, et que nous fassions face vraiment à ce phénomène. Et maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs très regrettable. depuis que le débat politique a commencé, on a comme l'impression que les citoyen nigérien s'est mis carrément à l'écart. Je mhm. parle du citoyen, euh, tout le monde, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, il y a les journalistes, les médias, tout le monde. Pensant les gens que se c'est une affaire de politiciens. Très mhm. bien. Mhm. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où le débat politique est devenu tellement obscène que les acteurs politiques se sont tellement baignés dans l'immoralité qu'aujourd'hui, la chose politique même, c'est-à-dire constitue quelque chose de dédaigneux. Mhm. Voyez-vous Et ça importe peu pour le peuple nigérien. Donc, c'est pourquoi moi, je dis, il va falloir revoir un peu cette stratégie, s'intéresser vraiment au débat politique, parce qu'avant tout, euh, c'est quelque chose qui va affecter notre avenir en tant que peuple. Voyez-vous On ne peut pas aujourd'hui donner carte blanche vraiment juste à un groupuscule de politiciens qui vont vraiment, en tout cas, façonner notre avenir, qui vont essayer vraiment de nous conduire comme des moutons de panurge. Voyez-vous Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. C'est pourquoi je demanderais quand même, moi personnellement, je lance un appel à l'endroit de la société civile nigérienne, à l'endroit vraiment des juristes, vraiment des intellectuels nigériens. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent porter la voix du peuple individuellement. Mhm. Il y a des grands intellectuels de ce pays. Où sont-ils On ne les voit nulle part. Tous ont été happés par le, vraiment le système politique. Mhm. Voyez-vous Aujourd'hui, la société civile est tellement corrompue que dès que tu vois un acteur de la société civile, déjà tu le vois que vraiment, en tout cas, c'est un ventriloque. Il est là pour marcher pour X ou pour, Y. On pense qu'ils sont corrompus. Non, ils sont même corrompus. Moi, je mhm. l'assume, je l'ai dit et je veux le dire devant Dieu. Voyez-vous Et maintenant, le problème qui va se poser. On a posé, j'ai vu sur le réseau sociaux un débat qui a déjà commencé, où vraiment, en tout cas, un homme politique qui était en poste hier, il a même fait une proposition, par exemple, de constitution de CENI. Parce que mhm. la constitution de la CENI aussi fait partie de ces débats, voyez-vous, des, articles incriminés dont vous avez cité tout à l'heure. Mais la composition de la CENI, tout le monde a fait un débat consensuel. De façon générale, vous avez vu. Mm. C'est-à-dire que le président de la CENI, le vice-président de la CENI, les différents rapporteurs, plus maintenant un certain nombre de membres de la CENI, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher à la classe politique vraiment en tout cas de se faire représenter de façon équitable Même si quelque part les gens veulent introduire toujours comme euh, cette société civile qui n'a vraiment pas vraiment en tout cas fait vraiment quelque chose d'honorable vraiment dans le passé ou le présent de ce pays. Voyez-vous, moi je pense que il faut que tout le monde se réveille pour que vraiment ce débat là soit vraiment récupéré pas le peuple, que ce soit un débat citoyen. Parce que quand ça débouche sur des euh, troubles, dans tous les cas, nous serons interpellés et nous sommes obligés d'intervenir. Rufai et comment sortir euh, alors euh, de ce tambourglio que nous avons en ce moment Moi, je pense que c'est un débat de fond. Moi, j'ai comme l'impression que de 92, l'avènement de la démocratie à aujourd'hui, on n'a pas bougé d'un seul iota. Pourquoi parce que vous convenez, vous convenez bien avec moi que aujourd'hui on assiste encore, au même titre qu'à dans les années 92, à la personnalisation des partis politiques. Aujourd'hui, tous ces débats se trouvent autour d'un homme politique. Ça veut dire que tous ceux qui soutiennent cet homme politique ne sont pas capables de, le remplacer. C'est ce à quoi on assiste. Tous ceux qui sont là pensent que sans cet homme politique, nous, on ne vaut rien. Et parmi nous, il n'y a personne qui peut être eh, candidat pour ce parti politique et remplacer son politique. C'est la même chose que dans les autres partis politiques. Prenez par exemple le parti comme MPN Kishinkasa. Déjà, le, président s'est autoproclamé candidat à l'élection présidentielle de 2021 en passant outre les, les, les, décisions des partis, ce qu'en pensent euh, et, les militants. Pour, pour tous les présidents des partis politiques au Niger, je suis président, je serai candidat. Aujourd'hui, du coup, là, au MNSD, ça, ne peut être que Séni. Et euh, au, qui, au PNDS, peut-être euh, là, on, ne sait pas encore, <laughs> puisque ça, ça mais dans les autres, partout, chaque président du parti pense qu'il sera. Et candidat de son parti. Pourquoi Parce que la jeunesse nigérienne, comme l'a dit Sidoukou, refuse de s'approprier le débat politique, refuse de se lancer euh, dans le débat politique et sur la scène politique. Euh, celle qui s'engage, c'est une jeunesse corrompue qui ne pense qu'à s'enrichir, qui ne pense qu'à avoir de l'argent pour construire une maison, se marier, avoir une voiture et c'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est ça le drame pour le Niger. Mm. On se dit que euh, le salut n'est pas pour demain. Parce que si ces anciens quittent, qu'ils le veuillent ou pas, ils le feront, même s'ils ne le font pas avec euh, la politique, il y a le pas de l'âge, il, y a la mort qui va venir. Mais s'ils partent, qui seront là et c'est ça le drame pour le Niger. Et moi, c'est ce à quoi j'ai toujours pensé. La jeunesse nigérienne n'est pas encore prête. Et même si elle est prête en termes de, euh, pas d'idée, en termes d'études, en termes d'âge, je pense que dans la tête, de la formation politique, de la capacité à changer les choses au Niger, la jeunesse n'est pas prête et c'est ça qui va constituer un grand problème pour euh, l'avenir du Niger. Et aujourd'hui encore, on est, on est là-dedans et les élections D'ailleurs, dis toujours je ne crois pas. On va, on va passer, on va passer à autre chose. Dans vous le dites bien, la jeunesse a un rôle important qu'elle doit jouer et nous allons passer. passer hmm. Niger, vous allez voir. Merci, Rufai Dandoua. Les commerçants, importateurs et les agents de transit étaient très fâchés depuis la semaine passée suite à la mise en application d'une circulaire de la Direction générale des douanes du Niger. Ils menaçaient d'ailleurs euh, d'observer une journée ville morte euh, ce vendredi 9 novembre. Heureusement, ils ils sont revenus à des meilleurs euh, sentiments suite à une rencontre euh, qu'ils ont eue hier euh, jeudi avec les patrons des douanes nigériennes, dont le directeur général Sedekali. il semble que cette circulaire ne date pas d'aujourd'hui. Pensez-vous qu'elle permettra d'éviter des cas de fraude, comme a eu à l'expliquer le ministre des Finances Hassoumi Massoudou samedi à l'Assemblée nationale La directive ne date pas d'aujourd'hui. D'accord, euh, le ministre quand même euh, est censé connaître parce que <laughs> c'est lui l'autorité. Mais moi, euh, je pense que dans ce genre vraiment des rapports, c'est toujours quand même le bon sens qui doit prévaloir. Parce que les opérateurs économiques sont des partenaires de premier plan quand même du système du pouvoir, mmh. c'est-à-dire du ministère des Finances et en particulier de la douane. Aujourd'hui, le pouvoir a besoin de l'argent pour faire face à ses projets, à ses programmes. Vous comprenez Nous sommes dans une période où euh, le pouvoir est en train de multiplier les initiatives pour vraiment, en tout cas, euh, engranger ou mobiliser les ressources internes. Et dans ce contexte, euh, les opérateurs économiques, à un moment donné, se sont carrément mis à l'écart, volontairement à l'écart, pour observer tout simplement la société civile et faire le combat seul. Lorsque le budget, la loi des finances 2018 a été votée, on n'a pas vu quand même des opérateurs économiques sortir et refuser ce qui se passe. Ils se sont mis à l'écart en laissant juste euh, la société civile vraiment en train de mener le combat seul. Et dans la pratique, on sait qu'il y a des effets divergents, il y a des effets divers qui vont se faire sentir. Et l'un des effets aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Les opérateurs économiques et le pouvoir <laughs> se sont engagés dans une logique de pugilat depuis un certain temps, on, a, compris. Eux disent qu'ils vont aller en ville morte. Ce que est ce que chacun a intérêt à mettre de l'eau dans son vin pour qu'il y ait un consensus. Parce que euh, trop d'économie aussi, il ne faut pas oublier que ça tue l'économie. Ben vous, tout n'est pas de décider et de l'appliquer vraiment in extenso. C'est-à-dire que mordicus, j'ai besoin de ça, il faut que j'ai ça. Et de l'autre côté, l'opérateur économique aussi doit savoir que euh, quand vous faites des affaires, <laughs> puisque vous avez déjà souscrit un certain nombre vraiment d'engagements euh, réglementaires, c'est-à-dire au niveau de l'État, vous devez savoir que vraiment, en tout cas, il y a des charges vraiment que vous devez assumer et qui doivent revenir à l'État. Vous comprenez Et là, maintenant, dans ce genre de rapport, il va falloir dialoguer, il faut rester, hein, trouver vraiment, en tout cas, un modus vivendi, c'est-à-dire un consensus, pour que vraiment, en tout cas, euh, le pays aussi fonctionne. Parce que dans tout cela, c'est quoi Quand les commerçants partent en grève, en ville morte, que le pouvoir dessus le ton, ceux qui vont perdre, c'est toujours les citoyens nigériens qui vont perdre. Et heureusement, comme on m'a dit que ce, ce, matin, il y a eu vraiment en tout cas un consensus. Et les véhicules ont commencé à sortir la douane a un peu desserré le taux. C'est une très bonne chose. Je le conseille d'aller dans ce sens. Mmh. un compromis a été donc euh, trouvé sur euh, ce qui a permis de revenir à la sérénité. Est-ce que vous avez des précisions Bon, moi j'aimerais surtout insister sur ce que Sidique a déjà dit sur les, rapports entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Mhm. Je pense que dans une démocratie, vous n'avez pas des sujets, vous avez des citoyens ils ont certes des obligations, mais aussi ils ont des droits. Je pense que euh, cette approche, malheureusement, on l'a beaucoup observée depuis ces dernières années. Euh, j'ai pour preuve les grèves. J'ai preuve les grèves des syndicats euh, qui, finissent devant les tribunaux où le gouvernement demande aux juges de gérer les choses à sa place. il y a beaucoup de situations dans lesquelles le gouvernement montre que, bon, euh, il a le pouvoir, il a la force publique avec lui et finalement le, le, débat fait défaut. Tout de suite, on parlait de dialogue politique. Mhm. Je pense que au, delà de cette question du code, pendant longtemps, le dialogue politique était bloqué dans notre pays. Je pense que la démocratie vit partout de débats, d'échanges. Euh, il y a euh, des groupes divergents qui ont chacun ses intérêts. Mais le dialogue, c'est l'essence de la démocratie. Je pense que que ce soit avec les acteurs politiques ou les autres acteurs sociaux, le gouvernement doit négocier, doit discuter. S'il y a un accord, tant mieux. Euh, c'est vrai que aujourd'hui le contexte économique est difficile pour tout le monde, à la fois pour le gouvernement et surtout pour les pour les citoyens. Euh, dans un contexte pareil, à mon avis, euh, c'est bien d'éviter les crises, les les positions jusqu'au boutistes euh, qui débouchent sur des crises au niveau de la communauté. Alors que le gouvernement trouve un consensus, c'est à mieux. Mais en tout cas, euh, je sais que dans le, le, contexte actuel, euh, je pense que chacun a intérêt à voir l'intérêt global, l'intérêt de la communauté, l'intérêt du pays, sans aller à des choses trop corporatistes en tout cas, encore une fois, euh, chacun souhaite aujourd'hui que le dialogue prévale. Si ce dialogue a prévalu et qu'un consensus euh, a pu être trouvé, tant mieux pour moi. Je pense que tout ce que je peux dire. Rufai Dandoua, qu'est-ce qui peut permettre aux commerçants de continuer leurs affaires pour toujours oui, comme, l'on dit, c'est le dialogue, sauf que le dialogue ne se fait pas seul. Le dialogue se fait lorsqu'il y a des parties, deux ou plusieurs parties. Malheureusement, c'est quoi Ce régime, il est, habitué au passage en force. Le problème est de, l'autre camp, c'est que toujours il faut que la société civile lutte pour, pour, nous. C'est la même chose pour, la, pour euh, les commerçants, c'est la même chose pour la classe politique. Et ils sont, ils sont toujours, comme on dit, et la queue entre les pattes. Ils acceptent euh, tout ce qui a été décidé. Quand euh, la, société civile ne fait pas le débat, donc rien ne va se passer. C'est aujourd'hui qu'ils ont compris que leurs intérêts sont menacés et fortement, qu'ils ont voulu et durcir le, le, bras de fer, montrer aussi et, leurs muscles. Heureusement qu'on a eu la, solution. Sinon, je pense que le dialogue doit être euh, toujours euh, mis en avant, mais il faut que les gens se disent que parce que je suis où j'appartiens à la mouvance présidentielle, je ne dois pas faire la lutte et avec ceux qui sont à l'opposition. Les gens, on a l'impression au Niger, chacun ne pense qu'à son intérêt personnel. Et lorsqu'on ne pense qu'à son intérêt personnel, pas aux intérêts collectifs, on va toujours penser à ce genre de situation. Et chaque fois, le, régime, quel qu'en soit le régime, il va apporter des, lois, des décisions qui n'arrangent que lui. Et ça va passer comme une lettre à la porte C'est la même chose. Et sur le plan social, ça va être la même chose sur le plan politique. Merci. Parlons à présent de cette nouvelle répartition du Fonds d'aide à la presse au titre des années 2016 et 2017. 290 millions et demi de francs CFA, c'est le montant global de la subvention de l'État allouée aux médias du secteur privé au Niger pour ces deux années. 88 millions pour l'année 2016 et 202 millions et demi au titre du fonds d'aide pour l'année 2017. La télévision Gaskia de Zander est première en 2016 comme en 2017 et Dalol FM de Douchi est première devant toutes les radios en 2017. Peut-on parler de recul des radios et TV de la capitale Sidekaba. <laughs> excusez-moi. Merci. Moi, je, dirais chapeau quand même pour ceux qui, pour les lauréats quand même ceux qui ont pu bénéficier, dans tous les cas, euh, que l'on soit à Zender, à Maradi, à Tawa, à Difa ou à Niamey, euh, ce qui est plus important, c'est que vraiment, en tout cas, euh, les médias puissent vraiment, en tout cas, s'illustrer par la qualité de leurs prestations, par le respect de leur cahier de charge. Ben oui, et ça, c'est très important. Donc, pour ceux qui est de Gaskia, je les félicite. Je les félicite très bien. Et ça veut dire qu'ils font correctement leur travail. Donc, puisque le fonds d'aide la presse n'est pas seulement bon, euh, juste un cutus comme ça, un cadeau. Euh, c'est une façon de les stimuler à faire correctement leur travail. D'ailleurs, dans les lois, les textes qui ont été adoptés euh, par le CSC, le fonds d'aide à la presse n'est pas un cadeau, c'est-à-dire une sorte vraiment, en tout cas, de, de comme ça qu'on fait aux, médias. C'est une façon de les appuyer sur le plan institutionnel pour qu'ils fassent correctement leur travail. Et je crois savoir que dans certains pays, ce n'est pas de l'argent même qu'on donne on, les appuie sous forme de matériel. Vous mhm. Voyez-vous, des matériels de production, des matériels de division, tout ça là. C'est-à-dire, et même pourquoi pas, c'était souvent, on, les appuie même sur des. Récemment, d'ailleurs, on, on a, tenu un colloque comme ça à, Bamako, où certains collègues nous ont vraiment fait comprendre que aujourd'hui, l'enjeu principal, c'était le besoin extrême de ces médias pour faire leur travail dans un contexte de crise sécuritaire, c'est d'avoir des matériels de sécurité pour les journalistes. Mhm. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que le fonds d'aide à la presse, c'est une façon vraiment en tout cas de renforcer les capacités de ces médias. Or, qu'est-ce qu'on comprend malheureusement aujourd'hui dans la pratique Les gens ont soit euh, tendance, soit fâcheuse tendance, vraiment en tout cas à considérer le fonds d'aide à la presse comme de l'argent qu'on donne à des patrons de presse qui vont aller vraiment juste se marier, acheter des belles voitures ou bien par exemple de reprendre la peinture de la maison de choses comme ça. Et d'ailleurs, dans la réalité, c'est ce qui se passe. Et là, vraiment, il, va falloir que le CSC mette des garde-fous oh, pour mmh. qu'on évite ces gens de déviance. Vous comprenez Mais regardez, la plupart des journalistes, des animateurs aujourd'hui, n'ont même pas ce qu'on appelle la convention collective. Hum. Vous comprenez Vous allez trouver toujours... un média un média dans lequel vous allez trouver quand même une dizaine de journalistes et d'animateurs et de techniciens qui travaillent. Et ces gens-là, quand vous vous renseignez sur leur traitement mensuel, on vous dit, lui, il touche 15 000 francs, 20 000 francs. C'est pratiquement de l'esclavage. Hum. Vous comprenez Or, c'est pour cela que les fonds d'aide à la presse doivent normalement euh, euh, permettre de pallier ce genre vraiment d'insuffisance, ce genre de difficultés. Donc, maintenant, ce qui me marque, moi, personnellement, et la question que je me suis posée depuis que cette information est tombée, j'ai dit, mais c'est quoi cette disparité entre 2017 et 2016 mhm. Vous avez parlé ce de qui concerne le, montants. 2016, mhm. Et maintenant, ça passe de façon vertigineuse à 100 202 ah, euh, millions. 202 millions en De 88 millions à Alors, expliquez-moi, j'aimerais bien mhm. savoir c'est quoi ces disparités-là. Mhm. Ça veut dire que le nombre de médias a doublé Non. Voyez-vous Ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour que vraiment, en tout cas, ces disparités Donc, c'est pourquoi vraiment, en tout cas, il y a, à mon avis, il y a des zones d'ombre mhm. qui, méritent d'être éclairées. Donc, euh, mais dans l'ensemble, quand même, moi, euh, personnellement, je me réjouis quand même que mes collègues travaillent dans le sens de mériter quand même ces fonds-là. Merci, Kali. L'État avait revu à la hausse euh, l'enveloppe fondée dans la presse euh, à 250 euh, millions par an, un montant partagé effectivement en 2015, mais non atteint pour la subvention de 2016 et celle de 2017. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait à Bassan Boukar Merci beaucoup. Ben, il n'y a que le gouvernement qui a la, réponse, hein, en principe, puisque, comme euh, mes prédécesseurs l'ont dit, euh, du point de vue de la présence du nombre des médias, il n'y a pas un changement majeur qui puisse expliquer cela. Mais je sais que cette période, c'est aussi une période euh, où le gouvernement a eu beaucoup de difficultés sur le plan financier. Par exemple, en 2016, on s'est retrouvé, je crois bien que c'est en 2016, où je crois le dernier trimestre a carrément été gelé par le mmh. gouvernement pour la plupart des institutions. Est-ce que le fondateur de la presse a été victime de ça Je vous pose la question. Euh, mais en tout cas, c'est une période pendant laquelle euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés de trésorerie. C'est peut-être là, de là qu'il y avait l'explication. Mais encore une fois, euh, il faut être dans le secret des princes pour savoir pourquoi on est dans cette situation. Mais moi, ma préoccupation est bien ailleurs. je pense que si le fond de la presse, je suis frustré de voir que les médias communautaires n'en bénéficient pas. Ces médias euh, n'ont presque pas de capacité, à un moment même d'un point de vue euh, technique, euh, mais aussi à un moment, les textes ne conservent pas que les médias communautaires fassent la publicité pour accéder à d'autres sources de financement. Alors dans ce pays, on a créé 100, peut-être 130 radios communautaires qui sont un peu partout sur le territoire, qui n'ont pas d'appui de l'État, qui jouent pourtant un rôle important sur les questions de développement, sur les questions de sensibilisation, euh, ces radios euh, n'ont pas vocation à chercher l'argent, comme les radios commerciales. Je pense que euh, c'est vraiment injuste que ces médias communautaires ne puissent il va, pas Il va falloir conclure, on va accélérer. Dans le milieu, la gestion de ces fonds par les bénéficiaires a été régulièrement critiquée. Quels conseils ou recommandations pour bien dispenser cet argent doigt. Déjà, je suis content pour Gaskia. J'étais eh, dans leur locaux il y a une semaine. Je suis content. Le directeur, c'est un ami. On a étudié ensemble. Et je pense qu'ils vont profiter de cet argent pour. Euh, d'abord s'équiper parce que quand vous voyez le matériel de travail, le matériel bureautique, c'est vraiment dégueulasse. Je pense qu'ils vont l'utiliser et qu'ils ne fassent pas comme font certains ici à Niamey qui se remarient, qui, qui, qui prennent euh, de nouvelles voitures. Et moi, au-delà de tout ça, ce qui, ce qui me cœur, c'est la façon dont les dossiers sont montés c'est faux. C'est faux. déjà, c'est faux. Les, organes de presse n'inscrivent pas leurs agents euh, à, la caisse. Ils ne font rien. Ils paient très mal leurs agents. Maintenant, dès qu'on dit qu'il y a fonds d'aide pour, pour la presse, ils vont courir à gauche, à droite, chercher les agents des impôts par-ci, par-là. On, on, triture le texte. Vous pensez qu'il y a des faux documents On vole, on fait des faux documents. ça, c'est grave. Donc, ça veut dire qu'on vole l'État et maintenant sur ces dossiers-là qu'on et au CSC. Mais il y a une commission qui était chargée d'analyser. Même, même, au sein du CSC, on, sait comment. <laughs> on passe donc, on, avance alors. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous dire qu'il faut bien donner le, fond d'aide de, la presse et même le suivi, même, le, mhm. même le suivi euh, qu'on dit faire après ça ne se fait pas bien. Donc il faut peut-être euh, qu'à l'avenir euh, acheter des du, matériel bureautique de travail former les gens. Ah, oui, ça. en profite vraiment surtout mhm, aux, mhm. pas aux patrons qui déjà avaient leur 4x4 et encore se donnent d'autres 4x4 et d'autres épouses. À partir euh, de maintenant, l'aide euh, ne sera plus directe. Euh, c'est à l'autorité de fournir du matériel aux entreprises de presse. Pensez-vous que c'est une bonne option, Sidi Kalu Vous savez, nous avons été tous des responsables des médias et nous savons comment et, et, à quel point cette approche est efficace. Euh, moi, personnellement, il m'est arrivé, quand je dirigeais les radios régionales, qui étaient quand même euh, les ancêtres des radios communautaires, de euh, passer des accords avec certaines institutions qui opèrent sous le terroir. Mm. Je ne leur demande jamais de l'argent. Je ne leur demande pas de l'argent. Je leur demande tout simplement de m'équiper, de participer vraiment, en tout cas, le montant convenu pour le contrat soit converti en matériel. Vous, pensez donc que c'est une très bonne chose que euh, le CSC procède ainsi dorénavant oui, mais c'est-à-dire qu'en amont, il va falloir aussi fixer un certain nombre de dispositifs réglementaires pour aussi mhm. euh, encadrer cela. Parce que quand on dit aussi au CSC, par exemple, de commander des matériel de 250 millions et de mettre à la disposition aussi, mhm. là aussi, il, faut craindre aussi certaines dérives. Mhm. Mais il faut tout contrôler. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui de l'être humain aujourd'hui, et surtout de l'Africain, c'est quoi L'Africain, tu lui donnes le guidon, il ne se contente pas tout simplement du guidon. Il va au-delà du guidon. C'est ça le problème de l'Africain. C'est tout celui à qui tu donnes aujourd'hui la possibilité de gérer du fonds, lui ne s'arrête pas tout simplement à la gestion du fonds, mais il va chercher à comprendre à travers la gestion de ce fonds qu'est-ce qu'il va gagner et combien il va gagner mhm. et comment il va gagner. Donc, on élabore toute une stratégie, des artifices et des stratagèmes, vraiment en tout cas pour créer de la déviance. Voyez-vous Donc, c'est pourquoi moi je dis il est vraiment la proposition de donner du matériel, euh, vraiment en tout cas à ces organes, c'est une très bonne chose. Parce que. <laughs> au niveau du terrain et de ces médias, on a vu comment ça se passe on ne parle pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que nous avons beaucoup vraiment des patrons de presse qui sont même critiqués par leurs propres agents ou leurs collaborateurs directs. Il faut donc euh, de la transparence euh, dans tout ce qu'ils auront à faire. C'est cela que en vous amont, soutenez tout à fait. À partir de maintenant, l'aide euh, ne sera plus comment dire, ne sera plus direct, donc c'est à l'autorité de fournir euh, tous ces matériels. Pensez-vous que cette nouvelle méthode de soutenir les médias privés sera bénéfique aux personnes qui y travaillent et permettra d'améliorer leurs services destinés au public euh, Hassan Bouka ben, Vous savez que le matériel aussi, on peut le vendre. Hein. Il faut euh, il faut que les gens soient de, bonne foi. Il faut que les gens soient de bonne foi. Je pense qu'il y a un travail que le CSC doit faire vis-à-vis des organes de presse, les sensibiliser aussi sur le fond d'aide à la presse. Qu'est-ce que ça signifie, ce fond d'aide à la presse Pourquoi les autorités publiques ont voulu. Alors, <laughs> alors je me dis, s'ils sont de mauvaise foi, que ce soit de l'argent ou le matériel, on n'échappera pas. Mais je pense qu'il faut que dans les rédactions aussi, les, journalistes se battent parce que ce fonds appartient à une entreprise à laquelle ils appartiennent. Si le fondateur ou le créateur a le dernier mot sur tout, ça peut un vrai problème. Je pense que les journalistes peuvent aussi se battre à l'interne pour qu'il y ait plus de transparence. Cette transparence, eux, ils sont mieux placés pour dire si oui ou non ce fonds profitent euh, vraiment à la, aux organes. Et le CSC a son rôle de contrôle. Je pense que s'il ne joue pas ce rôle de contrôle, eh bien, que ce soit l'argent ou le matériel, ça, peut, ça va toujours profiter peut-être à des gens qui veulent en faire un autre usage. Merci, merci. Terminant, nous allons, nous allons terminer. Moi, je pense que parallèlement, c'est bon de donner le fonds d'aide à la presse. Aussi, il faut prendre des dispositions pour que vraiment sur le plan fiscal, vraiment qu'il y ait aussi un peu d'amélioration. Parce que l'année dernière, n'oubliez pas que beaucoup de médias ont pleuré à cause de la pression fiscale. Mhm. J'ai vu là-bas, Merci. ne pas je ne sais pas pourquoi. Terminons, terminons avec euh, un mot sur euh, les feux de brousse euh, qui commencent en cette période au Niger. La semaine dernière, plus de 13 000 hectares de pâturage ravagés par les flammes à une cinquantaine de kilomètres de Tanout. Les auteurs n'ont pas été identifiés. Vos commentaires ou recommandations afin de prévenir ce fléau dévastateur, Dandoua Oui, j'étais à Zender récemment. On avait parlé avec les, gens de la localité. Ils sont, ils sont trop inquiets sur leur pâturage, sur, surtout que qu'ils avaient. Mais, mais c'est le moment, quand l'armatan vient, c'est ça, non Quand l'armatan vient, il faut que les gens soient euh, prudents. Il faut... Vous, vous, savez, vous savez, avec euh, l'armatan, rien que le mégot de cigarette euh, peut provoquer le feu de brousse. Mm-hmm. Ce n'est pas ici au Niger seulement qu'on le voit, même partout ailleurs sur le plan international, vous, le voyez. Donc il faut que les gens soient prudents, il faut que les gens arrêtent d'être méchants. C'est ça le problème des, Nigériens pour qu'on se dise que ce qui ne m'appartient pas, même s'il appartient à notre c'est un bien commun et il faut le préserver. Sidi Kali, quelle euh, proposition, quelle proposition feriez-vous par rapport à cela Moi, je pense que, euh, puisque les causes, c'est-à-dire qui sous-tendent un peu ce, drame, euh, sont multiples, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les feux de brousse ont pour cause souvent, vraiment, en tout cas, pas forcément des causes criminelles. C'est-à-dire mhm. qu'il y a les braconniers euh, c'est vrai, et qui souvent provoque des feux de brousse pour vraiment, en tout cas, euh, capter vraiment en tout cas les gibiers, mais aussi quelque part aussi il y a de la négligence. C'est-à-dire qu'on a vu des gens vraiment en tout cas qui viennent, qui bivouaquent, quand ils campent, ils font des feux pour vraiment, en tout cas, l'alimentation. Au moment où ils partent, le feu est mal éteint. Et à partir vraiment, en tout cas, de ce point précis, quand il y a un peu de, vent, euh, le feu commence maintenant à euh, mhm. s'activer et ça, ça, regagne euh, le pâturage. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors, vous pensez De la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Deux choses, pas mhm. seulement de la sensibilisation, mhm. de la sensibilisation, mais aussi de la coercition. Les deux vont, de pair, parce qu'il <laughs> y, y, a aussi les acteurs c'est-à-dire tel que j'ai parlé des de, euh, braconniers, euh, qui sont vraiment des vrais criminels qui font exprès pour vraiment attraper les gibiers, il faut leur pratiquer la coercition. Il faut mhm. leur appliquer vraiment, en tout cas, la sanction avec l'extrême rigueur. Moi, je suis né et j'ai grandi dans cette zone, j'appartiens à cette zone où vraiment les feux de brousse sont assez courants. Voyez-vous, je suis de la zone de Ngourti, je vous dis et je sais ce que je vous dis. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a. Mais de quelque part aussi, les médias communautaires, les médias nationaux, c'est-à-dire les agents des ONG, e, tous les acteurs, les ONG doivent jouer leur rôle. Et leur rôle, c'est quoi Ils doivent euh, faire vraiment suffisamment de sensibilisation à l'endroit de la population. Pour Bouka, c'est donc euh, la période en ce moment qu'elle appelle euh, la sensibilisation, je pense que, comme l'on dit, c'est ça la mm. solution, la prudence, la sensibilisation des appels à la prudence, puisque les communautés sont quand même les premières victimes. Donc, elles ne peuvent pas le faire exprès. Il faut les, sensibiliser, les rappeler que justement, c'est la période avec le début de, euh, de, vent qui arrive. Et donc, il faut que les gens soient informés, sensibilisés. Je pense que c'est comme ça qu'on peut l'éviter. Mais le gouvernement peut aussi jouer, euh, continuer à travailler pour que les gens puissent être beaucoup plus prudents. C'est ça la solution, à mon avis. Merci beaucoup. C'est ici que prend fin le forum de la presse d'aujourd'hui. Merci à nos auditeurs et à nos invités. Sidek Ali, journaliste, euh, analyste politique. Abba Hassan Bouka, directeur de la radio alternative. Rufai Dandoua, journaliste euh, freelance à la technique. Abdullah Yakouba à la réalisation. Boubacar Diallo à la présentation de ce forum. Michel Deji, rendez-vous samedi et dimanche à partir de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma sur euh, la thématique la mauvaise cohabitations cohabitation entre les hommes et les hippopotames sur la région du fleuve. Passez une excellente soirée et au revoir.